alaikum, moi Sénégal alaikum, ces internautes c'est Ousmane Diop porte-parole du collectif Bani dit non à l'installation d'une nouvelle cimenterie donc le collectif il est agressé il est agressé de tous les côtés parce que Bon ñu une cimenterie nous, avons une centrale à charbon donc boo xoolee Bargny su côté yëpp dañ agressé aussi mu am benn phénomène naturel boo xam dañ koy depuis très longtemps Nous, l'avancée de la mer et que boo boolee ñaari fléau yëpp muy manque d'espace. en plus euh, pollution bi fi nos jeunes sont désespérés ils préfèrent prendre d'autres prairies, prairies posé beaucoup plus clément sur le plan social et sur le plan économique donc nous disons non et nous allons détruire ce cycle destructeur et que nous n'allons pas accepter que nous détruire notre environnement nous n'allons pas accepter que Bargny donne doon de à l'avenir les générations qui vont venir donc nous allons nous lutter nous allons lutter pour avoir nos droits nous allons nous lutter pour un environnement sain et sûr et nous allons nous battre jusqu'au bout jusqu'au dernier souffle pour obtenir nos droits donc collectif Bargny dit à cette nouvelle installation dira toujours non, non et non. Nous sommes oh. non catégoriques. kilomètre nga avons une centrale à charbon Nous avons def ab cimenterie muy Sococim bëgg une centrale une usine de fabrique de ciment bien ku mu mënta doon am na xalaat normalement bari ñi ko dégg aw turam rek waroon nga leen a am yërmande si ñoom bañ a am loo fiy andi luy polier déjà ñu ngi si diggante ñaar yooyu nekk encore géej gi amatu ñu dëkk nit ñi feebar nañu économie locale bi normeelu na corruption bi bari na te bu ñu bàyyee lii dugg dinañu gis ñu ko gën a pire il faut que état jël ay responsabilité ne xam ne ay communauté bari ñu si dëkk bi la bokk te lii ñu commencé dal métti na wàllu environnement bari ñu sonn na si wàllu économie nag du dara lu baax loo xamee ne andi dinañ ko bari ñi li ñu fi andi rek lu bon la waaye lépp lu baax nu yóbbu fa neen est-ce que beneen suuf amul si Sénégal foo xam ne mën nañ faa yóbbu ab cimenterie ndax ñu ne dañ ko war a def fii rek si bari ñi wasalaam ngeen baal ma